en termes de protocole, protocole. Mhm. ki ñu fal président sax amu ko protocole. en ce sens bu jógee ni muy dem mieux yamatuñu rek ci assurer ko sécurité mais par force et contre son gré on assure sa sécurité mais ça va kon kon Ça va moom na wax alhamdulilah waay <laughs> waaw président tu as tous les honneurs. <laughs> voilà tu as tous les honneurs très bien yow y bi toujours on est dans le registre du rire parce mm. qu'il faut rire aussi de la vie quelque part président Macky Sall mi Fall, fal buy de euh, disons police et gendarmerie mais mon buy c'est un corps d'élite mon koy GIGN <laughs> hein, euh, GIGN euh, brigade d'intervention polyvalente GIGN ça dit que euh, des euh, douzaines disons, de voitures. Demande euh, d'intervention de la gendarmerie nationale. Peut-être que Macky Sall est notre président ordinaire. Et Ousmane, c'est le président extraordinaire. Parce que ça, il n'y a que mais de l'extraordinaire. Mais c'est juste pour ça. Je vais vous dire que je suis un peu plus de temps. Je vais vous dire que je suis un peu plus de temps mais même boy déglu les conseil oh, oh. du doon benn ndax oh. Sonko da nga koy bàyyi mu dem wala ndax da nga koy forcer ça c'est posé entre deux corps lolu tamit coordination bobu amane mu ngi si xuus a mais lolu tamit voilà lolu tamit mo mën a xel la tout à fait et, mm. et, et pour qui connaît la conflictualité diffuse entre la gendarmerie et la police mm-hmm. euh, nga wor leena bolé ci ben mbalka mm-hmm. té dañu nan ñaari kuy duñu bokk bokkandoo duñu bokkandoo mbalka toujours euh, qui, euh, dans le... Maintenant, là, on était dans le registre du rire. Mhm. Maintenant, il faut venir euh, dans le registre du pleurer mhm. euh, pour être complet sur le titre du livre de Henri Lopez. Euh, d'abord, mon premier jangat, je suis un jangat. mooy bu ñu ko ñaawlu ñaaw xam na ñaawloo parce que c'était assez dégradant aussi dama koy faral di wax même c'est un film dëkk bu ne c'est quoi <coughs> d'élite su génnee rek c'est parce qu'il y a un mm-hmm. Il y a la la la la la et à son paroxysme mm-hmm. c'est même une question de souveraineté finalement oui euh, li la ci xaw a gën euh, finalement mm-hmm. euh, ce qu'on appelle nos corps d'élite grand corps corps d'élite

sont fondamentalement même non. ni mu doon dëgg dëgg dëgg ak nu mel. Mhm. commencer révéler à partir de Demba. Mhm. c'est-à-dire que euh, la sérénité euh, et la sagesse gis nga la xew ci porte ba. Mhm. bu don que jox waxatuñ ko. <laughs> <laughs> lañ ko def ah, ko. non bu ko et voilà, loolu voilà loolu voilà loolu dafa lay révéler une autre facette de Sonko et je pense que c'est c'est l'homme qu'il est en lui-même euh, il a gardé le calme il a gardé la, la sérénité et je sais que qui euh, bi donc pour man ma jàpp ni euh, mooy li ma day wax ni euh, dafa mel ni sunu borom finalement parce qu'on est des croyants bu nammee dara ci yow il faut mu defal ay épreuve que Sonko lii lii koy dal euh, je pense que war na bopam mom moom euh, wàññi wax te jappé affaire yi comme ay épreuve parce que décidément ni muy demee ni ni ni euh grand bi mi koy wax rek depuis 2014 euh boko dé xol noonu rek la fa mën kon donc son plus grand ennemi aujourd'hui euh, ça va rester euh, lui-même mais euh, beneen angle jangat bi té bobu sax damay laye biir président Macky Sall Sonko dañ ko invité won ambassade États-Unis Ni mm-hmm. ko invité won bokk na ci ay congressistes américains Sonko même États-Unis commencé nañ di miser wu ci mom. Mm-hmm. waxuma lay français mais États-Unis commencé nañ di miser ci Asie mais c'est un problème ak Sonko mooy xamuñu fan la jëm njortu nañ fu mu jëm mais xamuñu réellement fan la jëm. Hmm. congressman américain yooyu dans les médias américains ba ci Wall Street Journal. Hmm. CNN CBS Washington. l'actualité sénégalaise la hmm. plus relayée aux États-Unis c'est Ousmane Sonko. léegi Ousmane Sonko dafa dem ba mujj dafa créer curiosité au niveau des États-Unis am na ñu fi ñëw moo président Macky Sall na def bien attention les gens sont entrés en toile de fond de chercher des éléments pour que après 2024 le traduire à la Cour pénale internationale waaw bu yeboo président Kaaw Sonko bi parce que dans l'entretemps c'est lié au rapport bi non non c'est ça, déedéet c'est ça, lié ci événement rapport de de de mars de mars parce que le département le département très bien le département américain bi mu génnee rapport mhm. les américains les américains se sont intéressés ça bi affaire yi ñëwee 14 morts yooyu dañu enquête on l'a pas fait mhm. entre temps il y a l'affaire Mancabou mhm. entre temps il y a l'affaire euh, des gendarmes bu ci amaatee yeneen yu amaat ci kaaw Sonko bi euh, en tout cas président na euh, na na na maytu na. na bàyyi xel loolu waaw na na bàyyi xel loolu mom euh, moom moo gën. kii bi ma laajaat aussi bu ñu defee combinaison loi yi nga wax ak situation actuelle bi c'est-à-dire que lii nii président Macky Sall le le gën gagne que davantage Sonko la gën a yëkkati xam nga lu tax. Hmm. parce que président Macky Sall ñun ñu Bari, surtout la communauté internationale euh, président Macky Sall daf leen a bett ci kaw Sonko bi parce que ñu bëri bëri bëri dañu jàppoon euh, un grand démocrate xam nga leadership sur le plan international et sur mm. le plan sous-régional mm-hmm. bokkut ak nu mu mel Sénégal fii ni ko mm-hmm. Sénégalais yi mm-hmm. ñun Sénégalais on est dans la majeure partie ñu ngi ci logique tout sauf Macky mais sur l'international il est très considéré il a un leadership très fort gars yi les gens qui ont commencé à am ñu nous dañuy am déception ni du Macky Sall mii 2012 avant 2012 d'ailleurs. Ça mhm. c'est-à-dire que mënuñu comprendre que qui régime Macky Sall on en a arrivé comme ça avec un opposant euh, du nom de Kibi. et ce qui fait que ce qui s'est passé hier euh, xaw na ko les derniers euh, estimes yu nit ñi mhm. à la fois sur sa personne et sur son régime. d'accord ba nga xam ni léegi fi mu toll nii. bari ni il y a il y a une forme de persécution. Hein. il y a une forme de de doxalin c'est antidémocratique. Mhm. Euh, en tout cas sur euh, l'affaire Sonko. d'accord ma bëgg a foofu rek. Mhm. bu ma mhm. euh, euh, à partir de minuit. Mhm. une heure du matin. Sénégal dans région régions commencé mhm. euh, d'ailleurs Il commence à waaw mu à Il commence à Dans Sénégal oriental. voilà il commencé à voilà mhm. vers 3 ah, heures Kër oui oui parcelle. voilà entre 1h et 2h. président Macky Sall que euh, son premier ministre Amadou Ba, son ministre de l'Intérieur et l'état-major mhm. ont tenu une réunion à 3h du matin pour visioconférence pour apprécier de la situation. C'est à 3 h du matin, vers 4 mhm. h du matin, mhm. qu'ils ont décidé de lever le siège mhm. devant le chef président Ousmane Sonko pour anticiper sur les événements. Si. D'accord. xam nga loolu dafay jox indicateur. Sonko la na wax président Macky rapport de force avec la xam. kon loolu daf lay en toile de fond. ni d'accord Sonko boo tegee sa tànk rek tey nga <laughs> monsieur le ministre parce que balaa a à si balaa ñu point Je gis naa ñu bëri bëgg réagir.